Gloire à Dieu. État de Niger, est-ce que vous êtes là? Je vais entendre et de, de, de belles voix de Niger. Je dis gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous visite. Et visite tous nos lieux. Et fasse de grandes choses dans chaque vie ce soir au nom de Jésus. Père, nous te remercions. Nous t'adorons, t'exaltons. Nous savons que tu es grand. Avec toi, tout est possible. Demandons ce soir que tu touches chaque cœur, chaque vie, chaque famille. Et vraiment, aujourd'hui, nous ne serons plus jamais les mêmes. Confirme la puissance de la parole et l'autorité. Et même à part de ce soir, au nom de Jésus, merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. pour vous asseoir. Ce soir, comme nous commençons, la série de la session de miracles, comme nous considérons le Dieu de toute possibilité. Ce soir, je vous apporte un message de Marc chapitre 10, à partir du verset 26. Marc 10, 26. Les disciples furent encore plus étonnés, se, disent, se dire les uns aux autres, et qui peut être sauvé Quelle question dans le cœur des disciples, de ceux qui entouraient Jésus-Christ. Qui donc peut être sauvé Quelle question avons-nous Comme nous considérons nos conditions individuelles, qui peut être sauvé qui peut être délivré, qui peut être guéri, qui peut être élevé, ôté de là où nous étions pour nous amener là où nous devons être. Et le Seigneur Jésus a donné une réponse. Verset 27. Jésus les regarda et dit, oh, Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu car tout est possible à Dieu. Dans ta vie, dans la vie de tous ceux qui sont là, car tout est possible à Dieu. Pour ceux qui sont en ligne, pour tous ceux qui sont connectés, pour tous ceux qui euh, suivent, pour tous ceux qui espèrent de Dieu, quel que soit ton défi, quelles que soient tes difficultés, le Seigneur Jésus-Christ nous a rassurés et t'a rassuré car Dieu, tout est possible. Voilà pourquoi ce soir, je viens vous parler du message intitulé Les grandes possibilités de la grâce de Jésus. Les grandes possibilités de la grâce de Jésus. Et je vais considérer brièvement trois points. Premièrement, premier point, la grande grâce de Jésus pour notre plein salut. Salut, plein, salut pour ton âme, pour ton esprit, pour ton corps, le salut, la rédemption, la rédemption totale, la rédemption complète et la grâce de Dieu nous apporte et la grâce de Dieu est disponible pour tout le monde. Je n'ai pas besoin de dire, ah, je n'ai pas assez de ceci, je n'ai pas assez de cela. La grâce de Dieu est disponible pour toi. Et ce soir, cette grâce te parviendra. Elle viendra sur ta vie, elle te donnera le salut, le plein salut, le salut, salut gratuit. Et elle va, il va, il va impartir ton âme, ton âme tout te concernant jusque maintenant et dans l'éternité au nom de Jésus. Deuxième point, la bonté gracieuse de Jésus pour guérir nos maladies fatales. Les maladies qui sont fatales, nos maladies qui semblent terminales, les maladies qui semblent incurables. Ce soir, la guérison est venue pour toi. Par sa grâce, la bonté gracieuse de Jésus qui guérit pour guérir nos maladies fatales. Troisième point, l'évangile glorieux de Jésus pour tous ceux qui cherchent la liberté. Ceux qui cherchent la liberté, ça veut dire quoi Ceux qui cherchent la liberté. La liberté de toute attaque, de tout joug, de tout problème, de tout, malheur, de tout problème. La Ceux qui cherchent la liberté. Ce que tu cherches, tu l'auras ce soir l'évangile glorieux de Jésus pour tous ceux qui cherchent la liberté. Voyons le premier point. Premier point, la grande grâce de Jésus, la grande grâce de Jésus, la grâce qui te couvre et qui me couvre, la grâce qui couvre chacun ici ce soir, qui couvre tous ceux qui écoutent, la grâce qui couvre tout ce que tu ne peux pas gérer toi-même. Cette grâce est là ce soir. Cette grâce, cette grande grâce qui couvre tout péché, qui purifie tout péché, qui pardonne tout péché, qui te sort de tous les liens du péché et qui te donne la liberté de ceux qui te retenaient captif et qui t'élève dans la liberté du salut du Seigneur. Cette grâce venant de Jésus pour notre plein salut. En Jean au chapitre 1, Lisons à partir du verset 12. Il, on parle de ce que cette grâce fait, et dit. mais à tous ceux qui l'ont reçu. Ceux-là, ce soir, Dieu dit, oh, je suis là, je, sais que tu es venu et tu me cherchais, je sais que tu es mort pour moi, je sais que tu as ôté les liens, toutes les chaînes, tout ce qui concerne mes péchés, qui concerne ma honte, tout ce qui concerne toutes les difficultés que j'ai et les impossibilités de ma vie. Je sais que tu es mort pour moi. Et tous ceux qui l'ont reçu, ce, Seigneur, c'est ça qu'il cherche. Tu le reçois, tu lui ouvres ton cœur, tu dis Seigneur, je sais que tu es venu me bénir, tu n'es pas venu me condamner, tu n'es pas venu pour me crucifier, tu n'es pas venu pour me juger, tu n'es pas venu pour me punir, tu es venu pour me sauver. Et parce que je sais que tu vas faire quelque chose d'éternel, quelque chose d'inoubliable éternellement dans ma vie, je, je, je t'ouvre mon cœur, je te reçois. Mais à tous ceux qui le font, il n'y a pas de discrimination. Le Seigneur ne va pas te repousser pour dire non, tu n'es pas qualifié. Parce que personne n'est qualifié pour sa grâce. C'est pourquoi la grâce de Dieu abonde pour tout le monde. Et c'est pour toi ce soir. Le ciel sourit à, pour toi ce soir, sur toi. Et quel que soit ce que tu demanderas ce soir, comme tu veux, son salut, le salut gratuit tu veux son salut, le plein salut. Ce soir, c'est ta soirée. Dis ce soir, c'est ma soirée. Il donne le pouvoir, le privilège de devenir fils de Dieu. Il veut que tu comprennes ce que ça veut dire. Fils de Dieu, fils d'Adam, fils de faiblesse, fils de péché avec la nature pécheresse pour que je puisse devenir fils de Dieu, fille de Dieu. C'est de ça que nous parlons. Ce n'est pas par mérite. Hein, mais tous ceux qui l'ont reçu, comme tu le reçois ce soir, tu deviens un enfant de Dieu. Où est l'enfant de Dieu là-bas Ça va arriver dans ta vie. Il dit à tous ceux qui l'ont, qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir, de devenir, de devenir de devenir. Cela veut dire, tu n'étais pas comme ça avant. Tu, étais dans les ténèbres, tu étais dans le péché, tu étais dans le mal, tu étais une personne qui ne pouvait rien réclamer à Dieu. Mais comme tu le reçois, Christ, le Sauveur, le Rédempteur, tu deviens, je vais devenir, je ne t'entends pas. Ce soir, tu vas devenir au nom de Jésus. Tu deviens fils de Dieu. Et même à tous ceux qui croient en son nom. Tous ceux qui croient en son nom. Voyez le verset 13. Verset 13. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il dit, ça, ne dépend pas de la volonté de l'homme. Quelqu'un dit, non, je ne veux pas que tu deviennes enfant de Dieu. Ça ne dépend pas de lui. Quelqu'un dit, ah, tu ne vas pas avoir le plein salut. Ça ne dépend pas d'elle. Ça dépend simplement de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu pour toi ce soir, c'est que tu sois sauvé. Et la volonté de Dieu va en annuler la volonté de Satan dans ta vie. La volonté de Dieu va annuler tout ce qui est contraire à ton salut, à ton progrès. La volonté de Dieu va annuler ça ce soit dans ta vie au nom de Jésus. Parce que dit, nous sommes nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté, la création normale ou la procréation de l'homme ou de la femme, mais ceci vient du ciel. alors né de Dieu. Verset 14. Verset 14. Et la parole a été faite chère, parlant de Jésus. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Quelqu'un crie plein de grâce. Pleine de grâce. Répète le plein de grâce comme les rivières sont pleines d'eau, tu peux venir puiser ta part, elle est pleine. Tu peux prendre la quantité que tu veux de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est toujours pleine, débordante pour toi ce soir. Je te vois comme tu viens. Tu dis oui, j'ai besoin de cette grâce de Dieu et peu importe qui tu es, quiconque vient, personne ne sera rejeté. La grâce pour le salut, la grâce pour le plein salut et la grâce pour t'aider, pour t'élever et faire de toi l'homme, la femme pour lequel Dieu t'a créé. Ce soir, c'est soirée. Ça va t'arriver. Verset 16, il nous dit, et nous avons tous reçu de sa plénitude nous avons tous reçu de sa plénitude. Ça, ça, c'est ça. Il nous dit que la grâce est pleine ce soir et la grâce est disponible ce soir. Et de cette plénitude la grâce de Dieu qui va mettre de côté tes péchés, qui va pardonner tous tes péchés, qui va te donner le salut, qui va te donner la joie du salut, qui va te donner la grâce des grandes possibilités de Dieu sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce, grâce pour grâce. Est-ce que tu es là? Grâce pour grâce. Après avoir reçu le dépôt initial de la grâce de Dieu ce soir, chaque fois que tu as un défi et tu viens pour et qui fait qui fait secouer ton salut, la grâce viendra encore et toute ta vie, quel que soit ce qui se passe et tout ce que tu cherches, la grâce dit je suis là. Et son trésor est plein de grâce. Et la grâce ne va jamais cesser dans ta vie. Tu as la chose initiale aujourd'hui et tu évolues. Tu auras grâce pour grâce. Tito chapitre 2. Voyons ce que sa grâce fait maintenant partout cette grâce vient. titre 2, 11 dit, car la grâce de Dieu, source de salut. Vous savez, certaines, certaines personnes disent, elle vient te visiter, elle vient les mains vides, elle, ne te donne rien. Ils disent, oh, je suis venu te, te, visiter, d'accord. Qu'est-ce que tu m'as amené Non, je suis venu je te dire bonjour, bonsoir. La grâce n'est pas comme ça la grâce de Dieu, sous de salut, qui apporte le salut. Et la grâce de Dieu te visite là-bas ce soir. Elle va t'apporter le salut dans ta vie, le pardon dans ta vie, la liberté dans ta vie et la joie du salut, la paix qui vient avec le salut. Elle va mener cela dans ta vie au nom de Jésus. Et dit, la car la grâce de Dieu, sous ce salut, qui apporte le salut, a été manifesté pour tous les hommes, tous les hommes, tout le monde, toutes les femmes, tous les garçons et les filles là-bas, ici, et aussi là-bas, et de l'autre côté aussi, partout tu es, et tu es connecté ce soir. La grâce de Dieu ne va pas te dépasser. Le salut de Dieu ne va pas te dépasser. Parce que la grâce qui apporte, et c'est au qui continue à apporter, à apporter, qui continue à apporter cette grâce, source de salut, qui apporte le salut, a été manifestée à tous les hommes. Gloire à Dieu. Oh, est elle m'est apparue. Elle est venue à moi. Et cette grâce ne va pas te laisser te perdre. Cette grâce ne va pas te permettre de périr. Cette grâce ne va pas te permettre de souffrir, même ici, ou de l'autre côté, dans l'au-delà. Cette grâce euh, va t'apparaître ce soir. Voyons, voyons, verset 12. Verset 12, elle nous enseigne. Ah, nous avons besoin d'un enseignement. Nous avons besoin de cette voix tendre à tout moment qui disent. Maintenant tu as la grâce, maintenant tu es devenu un enfant de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu alors mettez pas ici, mettez pas là-bas. Ne dis pas ça, dis ça de cette manière. Ne va pas dans telle direction, va dans telle direction. Cette grâce de Dieu sera ton compagnon, ton enseignant à partir de maintenant, tout au long de ta vie, au nom de Jésus. Vous voyez, quand nous ne sommes pas, on ne reçoit pas d'enseignement, nous tombons dans les fausses, on tombe par-ci, par-là, nous, nous faisons du mal, du mal. Mais la grâce va t'empêcher d'aller ou de visiter des endroits qui vont détruire ta vie. Celle grâce de Dieu qui est apparue à tous les hommes nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Dans ce siècle présent, ta vie va briller, ta vie sera rayonnante et ta vie sera droite et tu seras juste, sobre et pieux au nom de Jésus. Deuxième point maintenant, c'est la bonté gracieuse de Jésus pour guérir nos maladies fatales. La bonté gracieuse de Jésus, cette bonté vient pour toi. Voyons ce passage des Écritures, Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. acte, chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a au moins du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Hein? Du Saint-Esprit et de force. Quand Christ vient, il vient dans la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance du Saint-Esprit va détruire toute œuvre du diable de ta vie. Ce soir, ce soir et dit, vous savez comment Dieu a moins Jésus-Christ de Nazareth, du Saint-Esprit et de force. Toute onction que quiconque reçoit du Père a un objectif. Quand Moïse a reçu l'onction, il avait un objectif. Josué avait un objectif. Élie avait un objectif. Et quand David a été oint, il avait un objectif. Quand Jésus a été loin du Saint-Esprit et de puissance, il avait un objectif. Et cet objectif, c'est de faire quelque chose dans ta vie, dans ma vie, dans ma famille, dans, dans la vie de ceux qui sont autour de toi. Quel objectif qui allait de lieu en lieu, qui allait partout, qui allait partout, qui allait partout, de lieu en lieu, faisant du bien. Et quand tu rencontres Jésus-Christ ce soir, il te fera du bien. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Jésus-Christ, le même. Aujourd'hui, pour toujours, parce qu'il n'a pas changé, il allait partout et il, il il va de lieu en lieu. Il va te parvenir là-bas. Et comme nous mentionnons le nom de Jésus, il fera ce qu'il allait de lieu à lieu, faisant en son temps, il le fera dans ta vie. Qu'est-ce qu'il fait Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il était loin du Saint-Esprit, alors il allait de lieu en lieu guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Est-ce qu'il est là ce soir? Est-ce qu'il va de lui en lieu pour ta... Est-ce qu'il va te guérir ce soir? C'est ce qu'il a fait toujours. Ce qu'il a toujours fait, il le fera dans ta vie. Tu me rappelles? Un frère son nom est Joseph. Il avait un problème depuis 10 ans. Il avait un problème depuis 10 bonnes années. Il avait un problème de, pendant 10 mauvaises années terribles et douloureuses. Mais, mais en venant, comme toi tu es venu ce soir, Jésus l'a touché. Comme il va te toucher ce soir, laissez-moi l'inviter pour te raconter l'histoire lui-même. Joseph, merci, viens. Merci pour l'opportunité de partager mon témoignage. On m'appelle Joseph Jato Longhi. Je suis reconnaissant pour JCK qui est en cours. Je m'étais connecté à, euh, Croisade de la puissance triomphante. J'avais un défi depuis dix ans. J'ai rencontré le docteur m'a dit qu'il y avait un grossissement de la prostate. Qui, qui J'allais uriner 10, 13, 14 fois. Le premier jour de la croisade, j'ai écouté par satellite à Joss, pasteur Koumoï. Il a dit de mettre, l'élever la main, mettre là où on a le problème. Et quand nous mentionnons le nom de Jésus, ton problème sera balayé. Et je l'ai fait. J'étais rentré. Je ne suis plus sorti uriner comme d'habitude. Je n'ai plus rien fait d'autre à 5 heures, je me suis réveillé, j'étais allé uriner. Tout au long de la journée, je n'avais plus d'urine continuelle jusqu'à ce moment. Je n'ai plus ce défi. Je n'urine plus fréquemment comme avant. Je suis reconnaissant à Dieu pour cette croisade mondiale avec Komoï. Ma prière pour le pasteur Komoï, c'est qu'il continue à organiser ces croisades mondiales pour que les autres également puissent profiter de ce programme. Amen. Ce que Dieu a fait pour lui et pour beaucoup d'autres ce soir, il le fera pour toi. Les problèmes de longue durée vont disparaître. Les douleurs, les maladies, la souffrance, par la touche de Jésus-Christ, par sa bonté gracieuse, guérissant tous ceux ayant de maladies fatales. Le Seigneur le fera pour toi ce soir. Amen. Amen. Comment suis-je sûr qu'il le fera pour toi ce soir Voyons Psaume 105. Psaume 105, verset, psaume 105, verset 9. Peu importe là où tu es, peu importe qui tu es, l'Éternel est bon envers tous comme Jésus-Christ a manifesté cette bonté de Dieu. Psaume 145 plutôt, verset 9. L'Éternel est bon envers tous, parce qu'il est bon. Il ne dit nul, non à personne. Il ne rejette personne. Et ce soir, le Seigneur est bon envers tous. Et ses compassion s'étendent sur toutes ses œuvres. Il t'a créé, et parce qu'il t'a créé, il a de compassion envers toi. Il sait, il sait ce que tu as enduit comme souffrance. Il sait là où ça fait mal. Il sait là où se trouvent les problèmes. Il connaît là où se trouvent les douleurs. Et le Seigneur se manifestera de pardon, de guérison, de délivrance. Et il va te le manifester ce soir au nom de Jésus. Verset 19, verset 19. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Ceux qui le craignent, ce n'est pas la crainte. Et si prenait un bâton pour cogner ma tête, non, c'est une crainte filiale, c'est une crainte d'honneur. On le craint pour l'honorer, on le craint pour le respecter. On dit, il accomplira les désirs de ceux-là, il accomplit le désir de ceux qui le craignent, qui l'aiment, qui viennent à lui et qui ont les regards portés sur lui et qui dit en toi se trouve mon salut, en toi se trouve ma guérison, en toi se trouve ma délivrance. et il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cri et il les sauve. Il entendra ton, cri, il entendra ta voix, il entendra ta prière et il les sauve. Il les sauve. Troisième point, l'évangile glorieux de Jésus pour tous ceux qui cherchent la liberté cherchez la liberté, la liberté du péché, euh, la liberté des mauvaises habitudes, l'affranchissement de tout ce qui va détruire votre vie. ceux qui cherchent la liberté, vous voulez être affranchis de tout lien, vous voulez être affranchis de toute attaque, vous voulez être affranchis de toute affliction. Ceux qui cherchent la liberté, vous voulez être affranchis du jugement de vos péchés passés. Vous voulez être libérés du jugement éternel qui vient sur ceux qui déshonorent Dieu, qui ne respectent pas Dieu, ceux qui cherchent la liberté. Comme nous cherchons cette liberté ce soir, ta liberté est venue. Ton salut est venu. Ta guérison est venue. Et le jour de ta vie est brisé. Voyons la parole de Dieu en acte Acte, chapitre 14, verset 7. Acte 14, verset 7. Et ils annonçaient la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, l'évangile. Ils annonçaient l'évangile. Verset 8. Car l'israël se tenait assis un homme impotent, comme tu es assis là-bas ce soir comme tu attends là-bas ce soir. Il attendait et il a entendu la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle Que Dieu t'aime. Quelle est la bonne nouvelle C'est que Dieu ne te laissera pas périr. Il offre le salut gratuit, le plein salut. C'est quoi la bonne nouvelle Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, pardonné et affranchi. Quelle est la bonne nouvelle La bonne nouvelle aujourd'hui, cette parole est accomplie dans vos cœurs. À l'istre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Malade, impotent, paralysé, désespéré, jamais marché. Il écoute et il entendit l'évangile. Verset 9. Verset 9. Il écoutait par l'épaule, comme tu entends. Et ce que tu entends va se transformer en miracle dans ta vie. Il écoutait Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il l'a regardé comme je te vois là-bas aujourd'hui. Comme, comme je te vois là-bas. Et une fois que nous connectons, nous n'avons pas besoin d'avoir une touche physique. Je n'ai pas besoin de venir te toucher. Parce que ce que cet homme a fait, c'est comme il, écoutait Paul parler. Paul fixant le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Verset 10. Verset 10 dit d'une voix forte, la voix a l'autorité, la voix a la puissance, la voix porte ta guérison, la voix déclare ton salut et ta délivrance. Alors, dis d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Ça, c'est tout. Lève-toi droit sur tes pieds. C'est ce que je vais te dire ce soir. Ça, c'est la déclaration que je t'apporte ce soir. Ça, c'est la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce soir. Tu n'avais jamais marché je te vois là-bas. Je dis, lève-toi sur tes pieds. Peut-être tu es aveugle et tu te regardes là-bas. Ce que je vais faire, c'est te dire, te, te déclarer la parole venant du ciel. Ouvre ses yeux aveugles et tu verras. C'est ce que je suis venu vous dire. Vous qui êtes atteint de cancer, ce cancer va se dessécher. Toute impossibilité dans votre vie, rappelez-vous nous servons le Dieu de toute possibilité. Ainsi donc tout ce qui dit, lève-toi sur tes pieds. Et il a répondu, il a cru, il se leva pour marcher, se leva pour marcher. Ton amène est faible. Tu vas te lever et tu vas marcher ce soir tu vois, verras et tu vas reconnaître toutes ces impossibilités dans ton corps, dans ta vie. Tout va être transformé. Tout est possible au nom de Jésus. La liberté. Pour ceux qui cherchent la liberté. Tu cherches la liberté. Et cette liberté te parviendra maintenant. Où es-tu? Que Dieu te bénisse. La tête baissée, la tête baissée, les yeux fermés. Voici ton moment pour que tu aies le salut gratuit de la part du Seigneur, gratuit. On ne perd rien du tout. Christ a tout payé sur la croix du calvaire. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La tête baissée, les yeux fermés. Tu veux le pardon de la part du Seigneur, tu veux que toutes tes condamnations, tous tes jugements, tu veux devenir une nouvelle personne, un, un nouvel homme, une nouvelle femme. Un homme, une femme, un enfant de Dieu. Voici ton moment. Lève ta main partout tu es. tous ceux qui l'ont reçu. Il leur donne le pouvoir, la chance, le privilège de devenir fils, fille de Dieu. Mais tous ceux qui croient en son nom, tu lèves ta main et tu indiques que je crois. Christ est mort pour moi. Oui, je crois, il m'a apporté le salut. La grâce de Dieu qui couvre chacun est disponible pour moi. tu lèves ta main, lève-toi pour que je puisse prier directement pour toi. Tu lèves ta main. Oui, je veux ce salut. Je veux ce pardon. Je veux cette nouvelle vie de la part du Seigneur. Je veux la voix de la main de Jésus qui m'a apporté le salut. Lève-toi là où tu es. Ce salut te parvient maintenant. Amen. Prions ensemble maintenant. Père, au nom puissant de Jésus, je viens au, nom de tous ceux qui indiquent qu'ils veulent le salut maintenant. Il veut ton pardon, il veut ta liberté maintenant. Elle ils veulent cette vie éternelle dans leur vie. Ils se détournent de leurs péchés et viennent à toi pour les sauver. Que ton salut leur parvienne maintenant au nom de Jésus. Et je prie pour tous ceux qui ont reçu une portion de ta grâce, qu'une plus grande grâce, une plus grande grâce parvienne à chacun maintenant au nom de Jésus. Je prie que cette grâce qui apparaît à tous ceux qui sont debout, je prie qu'elle apporte le vrai salut, la transformation de vie, le changement de vie à chacun immédiatement, maintenant au nom de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit rende témoignage à chaque cœur que maintenant, qu'ils sont enfants de Dieu. Merci pour l'exhaustion Merci pour le salut. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Brièvement, je viendrai prier pour ceux qui ont besoin de guérison. Nous allons maintenant nous occuper de ceux qui ont Donnez leur vie au Seigneur. Amen. Nous avons reçu le salut gratuit de Christ. Conseillez partout où vous êtes. Approchez-vous de ceux qui ont levé les mains sur vos terrains de croisade, dans vos églises locales. Notez leur nom l'adresse avec le numéro de téléphone correct et donner tous les détails. Il y a des paquets spéciaux qui vous sont réservés. C'est pour vous. vous êtes en ligne et vous avez donné votre vie au Seigneur. Et vous avez suivi la croisade. Il y a en ligne sur votre écran un lien. Cliquez-le. Il y a un formulaire qui va s'afficher. Remplissez-le. Nous allons donc euh, recevoir, donc donner tous les détails, comme l'homme de Dieu est là pour nous. Il est là pour prier parce qu'après vous êtes sauvés. Cela fait partie du salut pour vous. Quand vous vous préparez, vous avez la foi pour être guéri. Et vous serez guéri au nom de Jésus. Mais avant ça, donnez tous ces détails. Donc occupons-nous rapidement, partout nous sommes, sur nos champs de croisade, de ceux-là qui ont manifesté leur foi en Christ et qui ont donné leur vie au Seigneur ce soir. Occupons-nous rapidement d'eux, les élèves, les hommes, les femmes, dont donc vous aider à tenir dans votre nouvelle foi que vous avez trouvée en Christ. Donc tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, il y aura un programme spécial qui vous sera organisé à la fin de la croisade. Donc ce serait un moment spécial de retrouvailles avec tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur au cours de cette, de cette croisade. Et ça vous permettra donc de grandir ensemble dans la foi. Et partout, prenez donc les détails comme nous attendons la prière de miracle et le Dieu de toute possibilité va pour satisfaire tous vos besoins au nom de Jésus. soyons en esprit de prière, croyant en Dieu que quelque chose que vous espérez, le miracle que tu attendais, la guérison, la délivrance, les yeux des aveugles qui est ouvert, tu vas marcher ce soir au nom de Jésus. Conseiller, faisons-le rapidement. Prenons rapidement les noms tous les détails. Les noms, l'adresse, numéro de téléphone. Et les noms que les autres connaissent à votre sujet. Pour que lorsque vous êtes invité, vous, que vous puissiez vous identifier facilement faites-le rapidement comme nous attendons la prière ce soir. Le serviteur de Dieu est rempli de la puissance et de l'onction pour briser tous les jours ce soir. tu ne repartiras pas le même au nom de Jésus. Je crois que tu pries. Prie et crois en Dieu, que le Dieu du ciel, le Dieu de toutes les possibilités ce soir sera ma soirée. Je ne repartirai pas avec ce défi avec la maladie, avec ce problème auquel je suis confronté. Notre frère bien-aimé a témoigné comment Dieu l'a délivré. Le problème de 10 ans. Est-ce que pour toi c'est 2 ans, 20 ans, quel que soit le nombre d'années, tu vas les laisser ici ce soir au nom de Jésus. Un grand Amen. faisons-le rapidement. J'attends. Nous attendons, faisons-le rapidement. Merci. Amen. Un grand Amen. dans vie de notre Père dans le Seigneur, l'organisateur de cette conférence, pour prier pour nos besoins. Espère quelque chose dans ta vie ce soir. Soyez les bienvenus, pasteur. Accueillons-le Gloire à Dieu. Vous êtes là, je dis gloire à Dieu. Ton miracle est venu. Quel que soit le problème, le défi, la maladie, la douleur, mets ta main là-bas et lève l'autre main. Le nom de la maladie ne compte pas. C'est le nom de Jésus qui compte. Et ce nom va détruire tous les jours du diable de ta vie au nom de Jésus. Rappelle-toi, c'est le nom qui compte, le nom de Jésus. Ce n'est pas le nom de ta maladie. Mets la main là-bas et lève l'autre main. Et quand tu entendras le dernier Amen, cela veut dire que c'est fait. Nous prions maintenant, Père, au nom de Jésus. Nous savons que tu es le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute puissance. Avec toi, tout est possible. Tout cela, espère. espèrent. Ils veulent ta touche miraculeuse. Et je prie que ta touche miraculeuse parvienne à chacun au nom de Jésus. Quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le nom de leur infirmité, Seigneur, nous savons que le nom du problème ne compte pas. C'est le nom de Jésus qui compte. Et je déclare, prononce ce nom de Jésus contre ton problème, contre ta maladie, contre ta déformation, contre les impossibilités de ta vie soyez guéris au nom de Jésus. Soyez délivrés au nom de Jésus. Seigneur, nous savons que ton nom est au-dessus de tout nom. Et ce que le, quel que soit le nom du problème, de la douleur, nous prions que ce nom de Jésus subjugue toutes choses maintenant au nom de Jésus. Et je proclame la guérison pour tout le monde, la délivrance pour tout le monde, la liberté pour tout le monde. Soyez guéris, délivrés au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour l'exaucement. Ce nom ne peut faillir. Et je prie confirmation dans la vie maintenant. Au nom, de, au nom puissant de Jésus, j'ai prié. C'est fait. J'ai dit, c'est fait. Examine-toi, examine-toi. Tu verras ton miracle, ta guérison, ta délivrance. C'est fait. C'est faire. L'homme de Dieu l'a proclamé et s'est établi. Si tu crois, crie Amen. Examine-toi avant de t'asseoir. Examinez-vous. Ce que tu n'arrives pas fait avant, commence à le faire. Ouvre tes yeux, commence par voir. Lève-toi. Tu peux marcher. et tu avais des big